vient d'être prononcé. Le bureau politique, en définitive, se réserve dès à présent le droit d'ester en justice contre tout usage sans autorisation des couleurs et symboles du Parti socialiste ou contre toute autre action à son nom, afin que nul n'en ignore, cette présente décision d'exclusion sera publiée partout où besoin se fera la liste des la liste des ex-camarades exclus, <coughs> c'est une liste de 65 personnes. Je vous donne juste à titre indicatif une dizaine ou une quinzaine de personnes. On vous communiquera la liste euh, par voie de, presse. Donc nous avons Bamba Fall, Idrissa Diallo, Tchedel Diallo, Salou Sar, Khalifa Ababakar Sal, Sambou Oumani Touré Jokel Gadjaga, Aminata Diallo Pala Samb Basirou Samb Aïssata Tal Sal, Sedina Issa Lay Samb Kani Bey Ibrahim Soare, Barthélémy Jazz, Nafin Ndiogou Ibu Djejou, Marianne Alice Gomis Abibatou Mbaye Mankan Tamba Alou Seynou Si Seyni Sané Malik Ndiaye Aïssata Fall Moussa Tay Babacar Aba Mbaye Youssou Mbou, Babacar Diop Idrissa Diagne Sambander Gay. la liste des listes la, liste complémentaire vous sera communiquée pour pour, pour qu'on ait plus de Très bien. Vous avez la liste exhaustive de toutes les personnes qui ont été exclues.